fada dubin gaisuwa da fatan al fada tana ci gaba da hirarta da matasan birnin adar bien calé à Tawaville, plus précisément au stade Ami de la Fada le 27 avril 2021 dernier, le Premier ministre Oumoudou Mamadou a lancé officiellement le processus d'installation des élus locaux. 52 communes urbaines et 213 communes rurales sur le plan national. Amma ana Tawa, ce sont 9 communes urbaines et 35 communes rurales. Bien je crois que Yanzu dai shekara ɗaya da un mashawartan ƙananan hukumomin da wakilan al'umma suka fara wannan aikin nasu. Ce qui nous intéresse à cette fada, c'est l'implication des structures des jeunes dans la gestion des communes. Anadama dama da su cikin tahiyar aikin da'irorin nasu ko kodayya ne ake tahiyar shi. A fadar mu ta yau, mon Rachid Zakou. Il est le président régional de la jeunesse. Tawa, ça va Oui, ça va. Tu vas bien, président Merci pour la mobilisation et pour l'accueil. <laughs> Merci. <laughs> Nous sommes avec euh, Jamila Urosama. Elle est euh, de l'organisation Femmes émergentes. Ça va, Jamila Tu es là, là, là. Yalo nous avons Abdoulaye Hamidou Mahamadou. Il est scout. Ça va, scout Tawa Ça va, Alhamdulillah. Dadama Dadama. Super. Nous sommes avec par réseau Hashimou Oumarou. Il est de la JCI, Jeune Chambre Internationale Tawa. Ça va Ça va très bien. Bienvenue sur cette émission. Bien. Oumarou Issoufou, scout également. Ça va. Ça va Oumarou ah, Ça va très bien. Merci d'être là. Nous sommes également avec euh, Moussa Mahamadou Abdraman. Euh, il est du RJE, le réseau des jeunes pour l'émergence. Ça va Ça va. Tu vas bien Ça va, là. La jeunesse, elle supporte bien Ottawa <laughs> C'est ah un <laughs> Nous avons également Idrissa Ibrahim du Mojedeg. ça, va Ça va. À cette fois, là nous sommes également avec Halimatou Adamou euh, Itama, euh, elle est du groupement Femmes émergentes. Ça va Ça va. Allez, votre soirée de soir. Attends. kun sani wannan fada dai ba ayin ta babu ayin kaɗa kaɗan mu da muke tare da su a koda yaushe muna tare da kuma rubrikin da don da ya shirya muna da kronikin de olivier C'est zo mana da ita nan zuwa gaba olivier ya ne mi ka zo mana da shi olivier ça va ça va très bien ravi et toi ça va bien ça va bien super ce soir on va on va faire un peu de développement personnel on va faire, on va faire un peu de coaching okay. parce qu'on est on est on est presque en, en fin d'année, mhm. parce qu'on a passé plus de six mois de l'année. Donc c'est bon pour que je, fasse le point du développement personnel que j'ai eu à faire à nos auditeurs et auditrices. Et j'espère que eux aussi, ils vont apprendre beaucoup de choses. Si, à toutes. 252 communes urbaines, 213 communes rurales qui sont gérées par des hommes et des femmes choisis lors des élections du 13 décembre dernier. je Bayan shekara on a wani matsayi ke ga matasa cikin tahiyar aikin nasu. musamman ma anan tawa zan zo ga tambaya ta deja ta horko cela fait un peu plus d'un an que vos élus locaux sont sur place ya kuka ga gurin da matasa suka samu cikin wannan da'irorin president zan fara gare ka president rashid zaku to ah ina shinka eh, lalle kusan wancan wata takwas da wannan eh, merukan aka hau da su suka fara aiki eh, lalle muna iya cewa wanga karo an samu dan ci gaba a fannin shiga matasa siyasa samu makamai tunda yau Eh, ina ɗauki jihar tawa eh, an tuka eh, mahi yawa za ku iska mahi yawan bisa mayar da miru kama matasa ne ok matasa ne ma parce que wana da jeune wanda ya fi kowane zama matashi ya zama wani cikin mirukan nijar wanda ya fi mm. kowane zama yaro nan na shiki jihar tawa in kun ka diba cikin ka usi na wanda gare ma a tuka cikin jihar tawa akwai matasa kwarai sosai mm. don ka vraiment muna iya an fara samun dan cigaba ba kamar da ba da lacizana dai ba ma matashi ko guda mm. an tuka yan shekarun da an kai tun da an ka fara harkar decentralization an tuka da wuya ka samu matashi guda ko da bisa mayar me ga wanga karo eh, vraiment muna da matasa amerika da yawa muna da isko conseil regional mam mm. don ka muna gani kenan akwai dan ci gaba bisa ga baya akwai canji ah. mm. Ok, par rapport aux années précédentes, euh, nous avons plus de jeunes euh, dans cette euh, sphère de décision. Ok, yanzu ina so in sani. Souvent matasa suna kuka da basu samu dama aiki cikin tahiya al su ba, tun ba ma cikin merikin su ba. A quelle hauteur les jeunes sont impliqués cette fois-ci? Zonzo zo wajen ka Abdoulaye Hamidou, est-ce que tu as accès à ces, à mairies Et est-ce que tu vois des jeunes travailler C'est vrai qu'on a des vice-maires, mais est-ce que tu vois des jeunes travailler tout autour Oui, bon, plus ou moins. Hein. plus ou moins. Puisque ici à Ottawa, les, gens, eh, les jeunes sont, lors, des conseils, conseils communaux que les, les, conseillers font, mhm. eh, on, invite les, gens, les jeunes à venir eh, des fois pour regarder, mais on ne nous implique pas dans la prise de décision. Ok, à mhm son suna aiki tare da le maire parce que maire a organisé les salubrités Autre maire masu mairie Maya le maire de commune commune de nan hmm. yana yana eh, yana yin organize activité yana invitation oui yana activité yana yana invitation zo su yi aiki tare mais sinon in aka zo wajen le conseil consort kallo ne annan kallo ne les kallo ne na matasa d'accord et est-ce que quand même il y a des akwai maudu'ai da kamar in ce des thématiques qui vous intéresse, que vous arrivez quand même à faire parvenir ou pas. Je vais venir vers les dames qui sont aujourd'hui avec moi. Jamila, euh, des femmes émergentes, est-ce que vos préoccupations arrivent à émerger dans cette sphère Kuna samu ku kai abubuwan da suke damun ku cikin rayuwar ta yau da kullum matasa? Muna kai kuka mu can ga manya suna diba mana. Mm. gaskiya yanzu alhamdulillah okay eh don saboda mun samu ci gaba gaskiya ga shekara tunda har abokan aikin mu rodab ta kama na mun tayi mun koya musu nan karu fon an koya musu ayyukan sauran ayyukan da muke nan gai okay eh hmm. kamar ayyukan hannu ne kuke koya ma matasa eh kamar abin gani muke nan gai ana yin an koya musu dambu transformation agroalimentaire. Mmh, agroalimentaire, bah, oui, eh. vous êtes dans la transformation agroalimentaire. Et oui. avec la... Oh, explique-moi, comment ça s'est passé talima Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam. Mm -hmm. Eh, product ta kama muna ta ɗauke mu formatrice. Mm. Mun tayi mu uku mun ka tai karo fan. Mun kai farmen mace 25. An koya musu dambo alkama, gari alkama, mm. garin masara, dambon masara. -hmm. Da wancan wanda ba a dahwa ba dambun masara da na abin ga da eh. garin shi da wadda ake sarrafa shu da pome mhm, mhm. mun koya musu da tsafta tsawon kwana biyar Mmh. D'accord. Je vais revenir un peu de ce côté vers les monsieur Aïe Parézo Parézo et Nansouenseni. En dehors de cette implication de ces structures des jeunes femmes dans certaines formations euh, dans des communes, est-ce que les jeunes, ils arrivent à faire parvenir leurs préoccupations aux gens représentants Kenasu Donc effectivement, euh, lokaci mai tsawo an da aka koya matasa wasu dubarori mm. waɗanda ya kamata su bi wasu hanyoyi wasu matakai waɗanda ya kamata su bi don su ga sun kai kukan kansu wajen magabata ko in ce mahukumta wannan dubarori su ne ake cimma waye mm. kuma a yau da muke nan cikin shahattawa eh, za a iya cewa fiye da hamsin kashi hamsin cikin ɗari na matasa sun mallaki sun kware da yin wannan waye. kenan matasa suna da makamai a hannunsu wanda in wani abu yana ci musu to a kwarya a cikin gundumarsu ko a cikin al'umma su suna iya su kai kukansu eh, ga wannan hukumomi mm. kenan za ce suna da eh, matakai amma yanzu bon ce qui ont pu faire changer quelque chose de plaidoyer qui pu marché à 100% de ça ils ont à leur disposition tous les rudiments nécessaires qui peuvent leur permettre d'accéder en fait à, ces sphères de, de compétences de prise de décision donc mais nous pensons eh, personnellement que en fait vu qu'il y a des jeunes qui sont élus, surtout dans cette région, vraiment, elles constituent une exception. Euh, il y a deux maires de la région qui ont été au Maroc. C'est nos amis, ils sont membres du conseil régional de la région. Ourno et un de, euh, qui ont hmm. été au Maroc pour signer des conventions avec d'autres communes là-bas. Donc, on peut dire que les jeunes qui sont en fait élus, ce sont nos, frères, on les connaît d'avance. C'est comme si ça peut constituer une passerelle. C'est une hmm. sorte de facilité pour nous, n'est-ce pas, euh, pour qu'on puisse vraiment accéder à ces, à ces instances-là ok voilà ami de la fada quand euh, je dis yo en muka dora fada tamu ana tawaville dai la particularité c'est que ici il y a des jeunes qui ont qui sont vice maires il y a plein de jeunes qui sont dans cette sphère de prise de décision qui gèrent des communes et forcément matasan de ce qui est nantara da voit que c'est en fait ça c'est ça c'est un plus c'est un gros plus pour accéder euh, à certaines sphères de prise de décision comment se gère hallo De irin matsalolin su sun je inda ya kamata a su kuma an kama musu abu sukan wannan yanzu ka in ci gaba da wannan hira zani l'artiste s'exprime et on se reprend juste après mes chers compatriotes surtout à la fada l'artiste s'exprime hey. ladies and gentlemen la machine et les humains vous souhaitent la bienvenue sur cette rubrique intitulée L'artiste s'exprime, une rubrique consacrée à l'artiste tout simplement. Cette rubrique se passe comme ça sur l'émission Tous à Fada, produite par le studio Kalangu de la Fondation Hirondelle. Le Niger et le monde entier est certainement scotché. On parle de là dans toutes ses formes et dans toutes ses dimensions. Aujourd'hui, sur cette émission, nous allons parler de la musique. Et eh oui, la musique en principe se joue avec euh, un instrument. Un instrument de musique. Ça peut être du kalangu, du djembé, du gumbe, de la guitare, batterie. Mais aujourd'hui, la règle est exceptionnelle. Nous recevons sur cette émission un homme, pas n'importe lequel. Cet homme incarne l'orchestre en lui. Nous l'appelons l'homme orchestre. Fiaxi, Dondi machine, te souhaite la bienvenue sur cette émission. vous avez certainement compris, mesdames et messieurs, pourquoi on l'appelle l'homme orchestre. Il fait tout avec sa bouche, avec aussi sa calebasse. Fiaxi, la machine te souhaite la bienvenue sur cette émission. Merci. Tu n'es plus à présenter, mais les jeunes kiffent cette émission. Les jeunes sont scotchés à travers donc euh, les huit régions du Niger. Les jeunes kiffent aussi cette émission à travers euh, le site du studio Kalangou les samedis et le dimanche à partir de 18h15 minutes. Et sur les radios partenaires, sur l'émission Tout ça, la et ces jeunes veulent en savoir plus. Fiaxi. Parlons de Fiaxi. Qui est Fiaxi Alors, Fiaxi est un jeune artiste du Niger. Ah Slammer, euh, rappeur, chanteur mhm. et percussionniste, comme ça se voit. Mhm. Ton nom à l'état civil Alors, mon nom à l'état civil, c'est Fiac. Fiacre, Oui. D'accord. Fiaxi vient d'où Fiaxi, c'est juste euh, une envie de, d'avoir de, deux noms, euh, un, nom surtout qui vient un peu des localités du Niger. Qui, le Si, ça vient de la dynastie des ah, Si, dynastie ah, si, ok, donc, ah, ouais, bien sûr, donc le Si vient de là-bas. De là-bas, oui. Donc c'est juste un nom que j'ai euh, adopté. Hein. Comment est-ce que tu es venu dans la musique alors, je je sais pas par quel chemin, mais déjà quand on était enfant, on joue beaucoup avec mon petit frère. Tu sais, avant, dans les mariages, on invite les, les groupes orchestres. c'est bien sûr. Et On a vu les voilà, Star et tout, ça, ça chanter. Et en fait, euh, il y a les grands qui invitent les grands artistes et les petits entre eux. Ils, font, ils font le show. Ils font le show <laughs> tu faisais partie des artistes invités par les petits. par les <laughs> petits. et tu mon jouais petit quoi frère. Ah bon, moi je chantais à la base et mon petit frère il jouait à la batterie. À la batterie euh, fabriquée, par vous-même à la maison. Oui, oui. par des conco et des kissing kissing et tout ça. J'ai fabriqué aussi des <laughs> petites guitares. On a fabriqué une espèce de micro. Oui. Voilà, donc c'est parti de là. Vous faites danser les petites filles, quoi. Oh, oh, oh. on fait danser tout le <laughs> monde. Tout le monde, sans exception. Alors, Fiaxi, on t'appelle l'homme orchestre. Je sais pourquoi on t'appelle l'homme orchestre, parce que tu as fait tes preuves tout à l'heure. Mais moi, ce que je voudrais savoir, la question qui me hante, quand est-ce que tu as su mhm. que tu as cette possibilité, euh, n'est-ce pas, d'avoir des instruments de musique partant déjà de tes lèvres Quand est-ce que tu as découvert cela alors, euh, en fait, à la base, moi, quand j'avais commencé professionnellement, c'est-à-dire euh, j'ai tout laissé, tout mes études, tout, tout, tout. Pour, te consacrer à la musique. À ça. Oui. Je voulais un truc euh, original, je voulais vraiment authentique. voilà, je voulais qu'on qu'on dit voilà entre mille artistes, voilà Fiaxi aussi qui est là, mhm. et pas forcément pour être le meilleur, mais pour être juste différent. Ouais. Donc j'ai cherché beaucoup, donc j'étais tout le temps en train de chercher et et un jour, euh, c'est parti de là, où j'ai persévéré, persévéré, et un jour, paf, c'est... Et c'est parti comme ça. Mais dis-moi, est-ce que ça t'a amené loin J'ai vraiment eu euh, beaucoup, de, beaucoup de portes. <laughs> Donc euh, j'ai eu à voyager énormément. Bon, je sais pas si c'est énormément, mais j'ai eu quand même à voyager. J'étais à Bamako. Tu as fait le tour du monde dans ta façon. Bon, à ma façon, ouais. <laughs> J'étais à Bamako où j'ai joué sur un festival sur le même. Il y avait Yamadou et Mariam qui ont joué. Donc pour moi c'est une, belle fierté. J'ai joué à, Paris euh, au pied de la Tour Eiffel. Ouais, j'ai vu ton show là-bas. Hein. J'ai joué à Luna qui est... Oui, au Festival Ouassan Africa, à la 14e ah, édition, de était ensemble. Hein. C'était donc le premier angle, les 10 ans de Gentleman. On se prend donc demain à partir de 17h45 sur les radios partenaires du studio Kalangu. Même heure, même fréquence, pour parler de la carrière de l'artiste, pour parler de ses projets musicaux. C'était dans dit La main. Shin Siaxi. Eh, Fiaxi. Hey. Amis de la FADA, on revient sur cette FADA aujourd'hui installée au stade de Tawa. Yau a Tawa muka dora wannan fadar on a da matasa, kungiyoyin matasa don mu cikin tahiyar da'irorinsu, cikin tahiyar eh, hukumomin anya ana dama da su ko ba a dama da su sont-ils impliqués dans la gestion des communes ou pas et eh, tantu gaba da tambayoyin nawa ina so in sani cikin ayyukan da ake yi Même quand il ne s'agit pas forcément des préoccupations des jeunes, est-ce que quand on prend des décisions pour les communes, les jeunes arrivent à donner leur avis Est-ce qu'ils sont consultés avant de prendre une quelconque décision Président Rachid, ah, est-ce que les jeunes, ils sont... Ana euh, attente ra'ayinsu. babban matsala take. Ok. mun ga gaban da an On a beaucoup de jeunes qui sont maires, qui sont vice-maires, qui sont présidents du conseil régional, etc. etc. Maintenant, euh, nan ne ni ce matsala take. Ok. prise de décision. Paske akwai abin da ya kamata a ce sun saurari yan uwansu matasa ko su wanda ba matasa ba merukan sun saurari matasan. Paske mhm. matasa suna mahiyawan al'umma. to sai ga mai ta tashin pdc matasa ma basu labari shi kuma shi na allon aiki na shekara biyar duk abin da za a yi in babu shi to mar sai dai sata za shi to in ba a zo ba aka tambaye ra'ayin ko ko aka tambaye koke kun ba doko koken mahiyan al'umma aka sa ciki ba to wani lokaci sai a yi ta kame kame to za a cimma inda surturkin jan za su tabi da wasu kuɗi a tun da ba sa su cikin birje ba ba su cikin pdc mai ba iya shi doko kun ba iya a cikin aljune ne to da nan za a fara samun matsala tun da zagi gine za mu yi <coughs> <coughs> oh. <laughs> nan na matsalar za ta yi eh, mu muna dibin a eh, matasa sun zo in ba mu yi hankali wasu lalata da ta hi talacizan to mu wannan shi muke gudu paske in takaitan to gobe ko wani matashi bai sake dawa kenan lacizan nan suna elabiya bayan wannan da su nuna eh, kwanaki ba haka mun kasa daga cikin ku mi ayyana ko ku mi saki to muna tammaha tare da mu suka zama sun san da matsala take ba za su yarda ba a yi wannan abubuwa ba mu labari ko kuma ba su tambayi eh, mu shawarori ba ko ko in mun ka kai su ɗauke su kwansai c'est vrai doka ce ta kasa in ba kwansai kake ba ko ka zo kwansai baka baka da izinin magana mm. me da mun so tunda suna tare da mu tunda tare da mu sun kai ta sun san matsalolin to su kai matsalolin tunda sun san su wani lokaci ba haimun kenan sai mun kai zuwa shekara biyu ko kuma gani uku eh, to ko biyu ne sace eh to ayya abin akwai sakiya ko ko irin ta tare za a miƙe ta yi babu wani bambanci eh. su ma dai dan dai su zo na eh. don ga inda muka gudun matsala sino ba mu iya evalence su yanzu yanzu nan mu ce ah, suna yi yanzu mu in muka ce yau mu ba a yi da da matasa meri kamar mun daka maka mu yi kana kenan mu yi amai mun lashe <laughs> inda akwai matashi mayar inda aka ɗaukar decision suna cikin konsai wasu ma kana kenan a to sai in su sun ka sake tahiya yanzu magana a ai da matasa ba ita ta ba kai eh, eh matasa su yi da matasa eh za su yi da matasa <laughs> yanzu sai dai zan canta na kai <laughs> shi sani ce yanzu ba mu zayin ibalen su me mhm. za mu gani da lokacin lokaci mu ba gashiya muka muna zuwa daga wanda ke sauraron mu daga wanda su ke wanda ciki lacci za su da masu kullun cikin kanun su na ganin suka hana zuwa mu da mu san ko ina ake ba mu san mina mhm. na su wannan ba su san mana hankali wanda an matasan an duka suna dan sauraron mu ba su in sun saurare mu abin da mun ga musu suna kai shi wala an gudo su mu do se se compense non pense qu'ils vont assurer Algérie. Ok. Sinon, ça va être On la catastrophe. Idrissa Ibrahim, du Mojedek, ina son sani. Cikin irin preoccupation kinku, wane ne tsaya muku a rai da kuke su gaskiya a ce wannan yan uwana kuma tasa da suka zama mayor vice mayor sun diba su abin da ya sha muku kai a wannan jihar taku to gaskiya abin da ya sha muna kai bisa ga harkokin matasa yau matashi ko in muna karyan wani abu na ayyuka wanda na ci gaba haka mhm. to muna saman in mun zo wurin manya don mu kai musu kukan Mm. to ya kamata a ce sun ji kukanmu don su yi aiki da saboda in ayyukan nan da muka zo musu da su in sun diba suka tarbe manubi suka yaki da su kenan gobe muna jin karfin gwiwa mu zo da wasu abubuwa na ban sha wanda muka kirkira da sauransu. okay kamar ba su kamine ne kuka yi aiki bisa kan mine ne bisa muna yawan ayyukan aiki hannu okay l'entrepreneuriat des jeunes c'est eh. vraiment euh, quelque chose qui vous tient à cœur mm. Ok. hormis ça, on va revenir vers les jeunes femmes aujourd'hui avec nous. C'est une préoccupation qui est mata parce qu'on sait que ça c'est vraiment une couche sur euh, sur le côté sanitaire ou éducation. Euh, quelles sont les, les causes qui vous tiennent à cœur ici à Tawa, la jeune fille de Tawa Halima Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Nan ga mu dai matasa mata nan tawa. Mm. Abin da daga sha mu kai. Bai kai da uwayen mu ba kai a bar mu na armen nan na doli. Eh. Armen doli. Akwai shi. Saboda armen doli yayi yawa wasu ƙauyoyi yara suna yi wa gudu saboda arme. suna zakwa nan tawa baka san kowa ba sai a shiga karuwanci wasu shaye-shaye wasu dai suna harakokinsu kenan abin da ya ɗokan mana da hankali eh shi na muka so a kama muna le mariage précoce et le mariage forcé. Mmh. D'accord. Selon toi, c'est à la base de, euh, de plusieurs euh, mots qui minent aujourd'hui euh, cette couche, les jeunes filles de Tawa. Wallahi, shi dai na ɗauki hankalinmu. Yawancin su ma ba ɗiyan Tawa ba ne, da wani ƙauye ne suke zakuwa sai su zo sai a ce ɗiyan Tawa ne. Ga shaye-shaye ya yawa ga mata. Hmm? sa'an nan ga hita hanya a kiyaye walla mu shi na mayyanan da su kama mana walla ya ɗauki hankali. Hita hanya? Eh. Kamar. <laughs> adalci ah, na ni ko na gane ni baka tsina ce okay. kuma yawancinsu duk su karatu duk suyi karatu suna da ilimi sosai mm. amma sai dai kawai dai wasu harkoki dai suka yi ta can daban-daban wallahi mu ba mu jin daɗi mun ka gani su ba mu jin daɗi ciwon mace na mace na Eh, kuma yawancinsu kuma su iya wasu sana'o'i kin gani babu mai kama musu yanzu ko mace ta zo ta ce za ta ya wani wuri a kama mata sai a ce kai bartayayya ta kale ta can mm. kene in ta kai kukanta baka san abin da yasa ta kai kukanta ba a taimaka mata a sa ido aikin nan da ta ce tana iya shi a sa ido a gani ya in ba ta yi ba eh. to shi na problem ba mai kamawa mu dai mata a kama muna okay yanzu kam Là, on voit des jeunes plutôt motivés, des jeunes avec des causes euh, qui leur tiennent vraiment à cœur. Qu'est-ce que les jeunes peuvent faire Qu'est-ce qu'ils peuvent changer <laughs> Qu'est-ce que vous pouvez apporter c'est vrai que vous êtes déjà euh, arrivé parce qu'il y a des oui. mais plus on implique les jeunes, plus ça va apporter quoi aux communes Effectivement, effectivement. Les jeunes peuvent euh, changer beaucoup de choses en fait, dans la marche. Et déjà, bon, il y a plusieurs types d'implications. Moi, je vais revenir parce que déjà, Thomas, il avait parlé d'une sorte d'implication. Par, par, exemple, le fait que quand les communes organisent des activités, ils invitent les jeunes. Ça, c'est vrai, les activités d'ordre communautaire. Aujourd'hui, le pourcentage de jeunes n'est pas à négliger. Quoi quoi qu'on fasse, tout ce qu'on va faire, dans une commune, dans une collectivité, si on n'implique pas les jeunes, moi je crois que c'est voué à l'échec. en fait, donc l'implication des jeunes est devenue comme une sorte d'obligation. Si on voulait changer, parce qu'elle constitue en fait la grande majorité de la masse. En fait, la première des choses quand on nous implique, c'est une énergie. La jeunesse, c'est de l'énergie en fait. Donc ça aboutit à l'atteinte des, des objectifs escompté. Si c'est une salubrité qu'on va faire, mais si on n'invite pas les jeunes, est-ce que c'est les anciens Là, c'est encore des activités, mais quand il, quand il s'agit de gérer des communes, des questions plutôt pointues ou euh, vraiment de je parle l'énergie, c'est pas mhm. seulement sur le plan physique ou bien sur le plan force, ah, mais sur le plan intellectuel aussi. Y a ça aussi. Sur le plan intellectuel aussi, c'est des cerveaux. Ils ont les diplômes <laughs> nécessaires, les diplômes requis. Donc, du coup, ils peuvent vraiment apporter euh, leur contribution pour la réussite de tout projet dans une collectivité. Mhm, mhm. Donc, on ne peut pas dire. Donc, vous avez toutes les capacités, au fait. Les jeunes, ils ont toutes les capacités qu'il faut pour, euh, <laughs> faire bouger les choses. Mais voilà, sur ces belles phrases de Parezo, les jeunes ont toutes les capacités pour faire bouger les choses. On va aller en musique. Vous allez me proposer une musique. Et puis c'est bon, une musique qui vous parle. Voilà ça. Ok, d'accord. <coughs> Ben voilà, l'hymne de la jeunesse. Ok. Et on se reprend juste après. Samari, the Emma Ton Misha. la FADA. C'était l'hymne de la jeunesse. Ça, c'est un big up de la FADA à toute la jeunesse nigérienne. Euh, dynamique et euh, pleine de volonté. Quels sont les défis que les jeunes doivent relever pour ces prochaines années Je viens vers qui Vous vous présentez Je me Tout d'abord, je me présente Mohamed Ahmed Moussa, secrétaire général d'un groupe de jeunes handicapés de la région d'Etawa. Ok. Soyez le bienvenu sur l'émission. Merci. Inasso Insani. Euh quels sont les défis que vous devez relever dans ces quatre prochaines années de kenan tahe cikin harkan tahiyar da vos communes et tout quels sont les défis qui vous attendent vous les jeunes to gaskiya mu matasa akwai abubuwa da yawa da suke jira mu okay eh kamar ayyuka hannu da su fare su kai batun su yanzu mm. yanzu mu gare mu yanzu ne mun kaga abubuwa irin nan suna shan jima saboda hita da muke yi mun gani cikin les region gaskiya gaskiya guramu ba su zauna ƙasa ba sai dai a doka a baka yau inda ka ce ka zauna kullum a baka to wata ran ba za a baka ba amma ka tashi da kanka wata ran dole za a nemo ka yanzu muna nan ga gaskiya na gare mu matasan mu guramu sun kama ayyuka hannu akwai masu sudir akwai masu dimkin tela wanda dai an ka fara yanzu kuma gaskiya alhamdulillah an samu shanshaman ba kamar harko ba to shine mu abin da muke so vraiment, le développement de l'entrepreneuriat des jeunes, les jeunes, ils sont déterminés à se bouger. Mais ben d'accord, président communal des jeunes, vous vous présentez merci. Euh, salam alaikum. Moi, c'est Abdelkader Gado, le président communal de la jeunesse Tawa. Ok. Donc, parlons à présent des défis qui attendent les jeunes dans cette région. Mhm. Et le défi qui attendent les jeunes, les prochaines quatre années qui viendront, Inch'Allah, si Dieu nous plaît, l'envie, et à ben c'est l'implication encore encore de la jeunesse parce que mon gano implique un jeune vraiment mon jeune le président Rachel l'a dit et les autres l'ont confirmé il y a nos camarades qui sont vice-maires, il y a d'autres maires un peu dans les institutions aussi. c'est la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes encore. C'est ça le défi. On akwai su matasa ambitieux Ils da abubuwa izon Ils proje ne suna so a kama musu a kama dans don su hmm. karfafa abin su kaho abin nasu su entreprise kin su ci gaba C'est an c'est mi sai an taimaka jeunes jeune ambition mais c'est un kama Ok. L'appui aux initiatives voilà. des jeunes. Ils sont ambitieux, ils sont pleins de volonté. Voilà. Il faut juste, Il faut juste les accompagner. Les accompagner. D'accord. Ok. Amis de la FADA, kun ji wa'annan matasa da muka hira da su. Matasa ne masu ilimi, vous qui ont plein de volonté, qui ont euh, des, des causes qui leur tiennent à cœur. Mais ce n'est pas à vous kuɗi da abba su da <laughs> to kwanci president ya ce kuɗi da abba bu wannan kuɗin su ne za a shiga ma yanzu kan nan olivier ka zo min da chronique ka in on cherche l'an l'an ici on a des idées mais il n'y a pas l'an Comment ah ouais? Ça tombe bien parce que ce soir <laughs> je vais parler d'addition. <laughs> Aide-nous. ouais, ça, ça, tombe bien parce que ce soir je vais parler d'addition. Okay. c'est quoi l'addition, non Si tu as 1000 francs, je t'ajoute 1000 francs, ça fait combien 2000. Et si je prends les 2000, vous avez déjà 2000, j'ajoute 2000, ça fait combien 4000. Et si je prends les 4 000, j'ajoute à présent qu'il y a déjà 10 000, ça fait combien 14 000. Ça fait 14 000. <laughs> C'est l'art de l'addition. OK. Amis auditrices et auditeurs, bonsoir. Bonsoir. Je pourrais dire que notre jeunesse, la jeunesse, est toujours dans l'art de l'addition. C'est-à-dire qu'on passe nos années à additionner, additionner, additionner encore. Nos flots, nos énergies sont dirigées par cette envie d'ajouter, d'étendre, d'augmenter, en bref, d'enrichir et d'avoir. D'abord, on commence par l'abondance financière, avoir beaucoup de sous, beaucoup de thunes, beaucoup d'argent, beaucoup de gombo. Ouais. Ensuite, l'abondance matérielle, avoir beaucoup de véhicules, beaucoup de motos, beaucoup de montres. Pour les femmes, beaucoup de quoi Beaucoup de basins, <laughs> beaucoup de tissus. <laughs> On se connaît. <laughs> Puis après, l'abondance relationnelle. C'est-à-dire que quand on sort aujourd'hui, on a envie d'avoir 5, 6, 10 personnes autour de nous soit sur les réseaux sociaux, on a envie de poster une photo et avoir 10 likes, 100 likes, des demandes hein, des demandes d'amis et tout. Eh bien, c'est comme cela qu'on voit le succès très souvent. La logique derrière, c'est que l'apologie du bonheur est grandement influencée par l'addition, ce qui par définition la place toujours comme une phase à atteindre plutôt qu'à vivre maintenant. C'est-à-dire que en courant derrière ce que je vais avoir, ce que je cherche, c'est-à-dire qu'on ne profite pas de ce qu'on a déjà. Justement, on ne profite ben pas de ce qu'on a déjà. On ne profite pas de nos proches, on ne profite pas de nos enfants, on ne profite pas de nos amis qui sont là à côté de nous. Et quand je prends encore le cas des réseaux sociaux, on, on attend des gens qui sont à des milliers de kilomètres de nous poser des likes. Et ben, écoutez, c'est très dommage. C'est très dommage. Alors, euh, quand j'aurai, on se dit souvent que quand j'aurai atteint ce niveau, je serai heureux. Quand j'obtiendrai ce résultat, je serai satisfait. Quand je ferai ceci ou cela, alors le bonheur viendra. Mais au fil du temps, cher ami, on peut réaliser, et moi je l'ai fait, j'ai réalisé que très souvent, c'est à travers le dépouillement et le laisser aller qu'on ressent le vrai bonheur. Le vrai bonheur, c'est des fois arriver à Ottawa, s'asseoir sur des nattes classiques comme ceci, discuter avec des amis, faire une chronique sans stress, Regardez mon chef Ami vous sourire. Regardez Rami fait Regardez les jeunes de Tawa, de Tawa Et j'ai envie de dire ce soir à tous ceux et celles qui nous écoutent que c'est vrai qu'on a des familles, on a nos parents qui comptent sur nous. On doit chercher, chercher, chercher. Mais n'oublions pas, profitons de l'instant présent. qui font la vie. Vivons, soyons heureux. C'est tout pour les amis. C'est tout pour ce soir, les amis. Merci. Merci bien Olivier. C'était la chronique de notre chroniqueur chouchou Olivier. Il casse tout. Ah, ça c'est ça calé au fait. <laughs> Merci à toi. Ben c'est la fin de tout ça la fada français Nous étions avec les jeunes, les structures de jeunes de Tawa. Munji yani ah, jusqu'à quel niveau est impliqué est tahiya commune commune qui est yani qui aiki qui est qui yani suke so a da watara ana dama da su amma kuma fa a se za ku ci gaba da wannan hira tare da abokin aiki na ah, habibu garba ni za da kwana da ku